Je suis heureux d'être parmi vous ce soir. En réalité, c'est depuis l'après-midi. Ici à Thiès, cœur battant du Cayor, cité historique du rail, qui porte si fièrement son Ben de Kenyaregan. Ben de Nyarigar, je vous remercie toutes et tous pour votre accueil si chaleureux aujourd'hui et votre mobilisation exceptionnelle. Je rends un hommage appuyé à tous vos leaders politiques. Je ne manquerai pas de citer Idrissa Seck, Mbrokso,

ak samay nit am na orange bu bare bare ak maron bu bare bare